même pas l'annoncer Nous quoi Nous comme la décision de couper la tête du HCCT et autres mm-hmm, mm-hmm. comme la décision de convoquer demain en, session extraordinaire d'accord donc euh, alors on va on va sortir euh, un peu du cadre politique. je suis un allié utile. Mm-hmm. un allié utile moi, je sais ne euh, les militants convaincus de militant convaincu bi mënu avec ton ton détachement pour qu'on en tienne compte pour rectifier. sentinelle. Mm-hmm. en quelque sorte. conseil là. C'est mon point de vue le plutôt conseil ça c'est trop dit mais c'est mon point de vue que j'exprime. Mm-hmm. qui peut être utile. je crois que mm-hmm. on doit être beaucoup plus réservé. dans les dans les grandes décisions à prendre. D'accord. Les grandes décisions à prendre justement, euh, le gouvernement du Sénégal avec que directeur directeur généraux, ngi di ko certains ont commencé à poser des actes dans le cadre de l'énergie mhm. euh, le directeur de de l'ASER mhm. am négociation bi mu fi defoon une négociation Hein, ba sénégalais yépp daal di koy félicité ko mhm. euh, daal di euh, également parce que c'est le plus jeune directeur de de de, société de, l'État de de société. tey rafetlu nañu renégociation boobu mais paraît-il il y a des non-dits dans cette renégociation-là. Et peut-être les parties prenantes qui, ce contrat-là d'électrification de, de, rurale. Mhm. pour commencer d'abord, mm mon opinion sur politique d'électrification rurale. D'accord. C'est une politique <coughs> injuste. Pourquoi Parce que mhm. euh, Sénélec, avec Orange Sonatel, ñom dëkk bu wul population bu wul abonné wala client duñ fa sawara investir bu Orange en réseau antenne et structure bu a Sénélec en lignes électriques par contre village yi traversent un axe de transport électrique yëpp mhm. Sénélec moo leen di y a beaucoup de villages yoo xam ne boo fa Sénélec moo fa c'est un lac électrifié parce que c'est accessible parce que nous adossé à des agglomérations qui sont rentables mm-hmm. mais quand tu es un village isolé où il y a 2000 personnes ou 3000 personnes un day jàpp ni jël ay poto lampe lampes qui def ay kilomètres kilomètres ba un àgg un village où xam am 2000 3000 personnes c'est pas rentable pour ouais, mais qu'est-ce qu'on fait de l'accès universel à l'énergie qui l'accès universel à c'est la bonne question parce que ça c'est une mission de service public tout à fait Sénélec on lui a assigné une mission de service public waxuñu ko mu def bénéfice wala mu rentabiliser investissement c'est pas une société commerciale Ce n'est pas une société commerciale kon le village nous mu reculer reculer nous mhm. na fexe nu nous fa fait électricité surtout que maintenant il y a le solaire mhm. il y a l'éolienne il y a les énergies renouvelables kon loolu je crois que Sénélec mën na mhm. mais même bu ko Sénélec tëlee sax les sénégalais peuvent le ko donc les sénégalais m'ont soumissionné au niveau de l'ASER euh, dans l'électrification des villages. ba gagné un marché bi. Sénégalais bi ban euh, société on peut le dire je parce que. Mhm. il y a un complément d'information parce que je crois que moi je vais approcher cette société là. Mhm. Euh, pour nous donner beaucoup plus en profondeur. Mhm. mais l'agence de régulation de la commande publique qui a remplacé l'ARMP. joxoon na ko ba donc il avait gagné le marché. C'est par la suite que le échoir aux Espagnols. Maintenant, ce qui a été renégocié avec les Espagnols, moi, le nombre de villages électrifiés et le transfert de compétences, qui sont somme toute de bonnes choses. Lo xamné lu yokku la won contrat le nouveau directeur pour son exécution. Mm-hmm. Il a attendu d'y voir plus clair. Je crois que c'est méritoire pour lui qui vient d'arriver mm-hmm. euh, d'avoir eu le temps d'y voir clair et de décider que, au lieu de 900 et quelques villages, environ 1000, on va électrifier 1740 villages, De, De deux, on va procéder à des transferts de compétences. Je crois que ça, c'est au moins à l'avantage du Sénégal. Mais maintenant c'est dans le principe que je recuse une agence buy def Sénélec muy Azer, ANER muy COSUEL tous les sous-traitants de Sénélec Maintenant, Sénélec ne fait plus rien. Sénélec ne fait qu'acheter du courant et achète même maintenant des services. Même les services maintenant, Sénélec, mais n'est pas possible. Mais cette boîte, elle est à restructurer. En ah, Wolof. Euh, euh, yaa ma <laughs> Sénélec. Madame, Senelec tout, liggéeyatul moom day jënd courant même liggéey ba mu daan def sax léegi da koy santaane Mhm. faut sous-traiter ak une société pour nous koy liggéeyal moom mu produit 23 seulement ci courant bi 23 pour qui rek 77 est de yëpp da koy jënd te West Africa bu commencé. Mhm. dana a peut-être 10 parce que loolu nous dugal lu bëri au moins le quart ak euh, euh, centrale bi bi fait xaar fële nu mu tuddati euh, mhm. au moins le tiers de nos besoins énergétiques les Sénélec produisent produire encore parce que sont des producteurs indépendants de euh, West Africa Gandong je ne sais pas encore mais euh, West Africa est j'espère que Gandong ne va pas donner ça encore à des étrangers C'est une part de gaz euh, dans GTA vraiment nous n'a une ko colère de toute façon. montage financier beaucoup. Mm-hmm. Sénélec il ngi jëm presque 10 à moins de 10% de notre énergie puis, noppi li muy a li Cosiel les koy liggéey Ingelec koy il sous y a beaucoup de sociétés qui sous-traitant au Sénélec la ñu sénégal. lan lay c'est-à-dire que Sénélec au lieu mo prendre en main l'électricité liggéeyatul sénégal sont. Sénélec hmm. je sais pas dañu bëgg ñu comme SDE ak. Euh, non non. Euh, son ak ou waaw. wala Sonatel ak Orange. ni mhm. gérer le patrimoine ni la gérer l'exploitation donc ils ne gèrent que l'exploitation tout ce qui est service ils ñu ngi koy sous-traiter loolu aussi c' pas pas une politique viable donc pour retourner aux agences. yi nga xam ne Sénélec daf leen sédd ci ay prérogatives am mhm. ANER ak je crois que loolu lu ñu war a la surtout que jamono ji ñuy wax waxu rationalisation des moyens de l'État parce que c'est des agences qui ont ne dafay direction avec tout ce qui va avec comme moyen un conseil d'administration avec tout ce qui va avec comme moyen alors que boulogne doon ben direction donc la fay euh, direction de l'éducation rurale point la direction des énergies renouvelables. que loolu dina répondre peut-être à l'expression du premier ministre bi nga de ne bëgg rationaliser. mais loolu loolu mooy rationaliser. loolu mooy rationaliser nag nga mën a ministère des collectivités territoriales après nga am au conseil.